chaud. Coach. Est-ce qu'il est prêt Coach. Toi, tu es prêt Il y, a un gars là, Mogué, qui dit qu'il veut organiser mon combat. Ah, il y en a qu'un. Et à chaque fois, on discute, on discute, mais ça va pas aller. Mogué, mon nom a failli gagner. Ah. dis moi, deuxième fois, it's the same thing, bro. You're trying to call me, like, you know what I'm saying, Affaire Bidjalou. Mon nom m'a failli, bro. Laisse tomber, man. bàyyi leen sama tour. zos zos zos zos zos zos zos doo leen ma fay mu leen ma fay mu leen ma fay man man sama négociation du yàgg ku ne xam na ne man combat vite fait dama koy jël mais à chaque fois négocier négocier du jall jarul wax zoz zoz zoz, pour def la promotion pour ay yenen xam nga ma gëna xam bëgguma wax mu la no fay man ama cem dama liggéey pour egg fi ma tolu du n'importe qui la ñëw rek kii di jëlal ok we here man training ñi ngi ni raison suñu ci si sax bi chaque jour maa yow ok stop it man stop it man I'm a G I'm a G from the hood I'm come from nothing